que ce n'est pas toute jeunesse qui est porteuse d'espoir de développement. Il rien Parce que la jeunesse, c'est la source nourricière, c'est l'espoir de demain. Parce que souvent, nous avons Et Est-ce que la jeunesse se détermine sur l'âge, sur la responsabilité, sur l'expérience ou sur l'engagement vous allez me dire quoi la jeunesse c'est défini sur l'âge sur la responsabilité sur l'engagement parce que nous, un na un âge de jeunesse Et nous, ci jeune tam de benn ans. lan moo koy waral nga nekk jeune amuloo benn dire. te yaa ngi ci âge jeune 18 ans

mooy premier levier ngeen mën a instruire seen parcours pour ngeen développé wu ngeen ko deful lu ngeen dem fenn mooy ki jógee dagga jéeri wala ki jógee Mbadakhoune wala ki jógee Fongilé bi taxaw ne man fan laa dëkk ñu ne la man je suis de Fongilé bi et je suis bi boo jógee nga ne jër na nga man jër na laa revenir Kerso, Koutal Sobo, Koutal Sobo localité. Parce que ne sont pas ici les jeunes d'aujourd'hui. Quand ils arrivent à Dakar, vous leur dites, fan vous venez vous, ils vous parlent de fatigue. Ou bien Kaola. Ils vont pas jusqu'au fond. Vous mettez les fier un petit peu aujourd'hui. Alors que, quand vous ne pouvez pas vous ça. vous ne pouvez pas vous dire, foofu nga dëkk foofu nga xam foofu nga màgg tey waajur fa nga leen baax nga ñëw ba Dakar on te dit foo dëkk nga ne Kaolack tu dis pas que j'habite Nioro Alassane Tall ban problème la la am Nioro Alassane Tall c'est la première chose mooy mbubu bi nit war a njëkk a sol mooy fier de son appartenance et de mais ñëw Dakar def sa bopp dakaroise wala dakarois bu nuy wax ngay loge R naan Dakar dene du sa accent séeréer bi sax pour nga sa bopp tes petits jours naka ngay delloo fa nga jóg Il va développer nos chères localités donc il faut que nous fier du jógee que pas que dëkk Passy Faty la jógee la dëkk Il Sokone laa la ne la tout le monde qui me connaît ma pas te lu ma ci yem dama naa leen fas yi maamoon gàttal tuuri laa gis fas maamoon gàttal tuuri waa jaagaan barke ni ko jaagaan barke foofu la ñuy pour ñu mën a mooy suuf si ginnaaw bi ñu nangoo li ñu nekk ba pare am ci fierté léegi lan moo des hmm? l'engagement je vous dis quoi une question yow amal nga njëriñ dans la santé amal nga njëriñ dans la santé waaw ci benn góor conscientiser xamal nit defal bul def lii nga war a def waruloo def c'est pas mal mais tey boo doon def yow sa bilan participatif yéen ñu wax ñëpp est-ce que jël ngeen vingt quatre heures yu mat wala quarante huit heures yu mat laa wax ngeen mettre au service de votre localité quarante huit heures yu mat maanaam huit heures ba huit heures ci journée bi booy conscientiser deux heures de temps ngay conscientiser booy set setal deux heures de temps ngay set setal donc douze mois douze

est-ce que a perception vous sur nous, yi am si nous étions étudiants Amen. est-ce que Hein c'est quelle perception Hein quelle perception donc vous avez une vision révolutionnaire mais vous n'avez encore rien changé c'est ce qu'il faut éviter il ne faut plus maintenant être dans les rêves il faut être dans la semble rêver. À autour de nous, on des idées. Soyons dans l'action. D'où notre engagement. Et te yaakaar naa ne ñun ñëpp ñii travers nos amicales. Et avant les amicales, il y a ce qu'on appelle la responsabilité individuelle de tout un chacun. yow lan nga amal gox te njëriñ yow sa gox est-ce que mos nga faa jëmbat benn garab est-ce que mos nga ko faa jëmbat benn garab ah kan moo mos a jëmbat benn garab localité kii bu mu xam ne gis na mu màgg.

quel type d'arbre ban garab bango ah mangue mango ah <laughs> mango mango on taxul <laughs> voilà pour wax leen mec. c'est-à-dire que si si on on fait on prend des parts et on fait un diagnostic sur nous-mêmes on n'est pas encore des acteurs de développement nous ne sommes pas des jeunes engagés nous ne fournissons rien du tout de manière évol évolutive ou évaluative je veux dire amuñ ko njëriñ bu bari on ne fait que demander maire subvention monsieur tel organise tel mais que faisons-nous pour nos localités looloo war a tax nag bu ñu génnee fii ku ci nekk nga def ce qu'on appelle introspection te balaa loolu dafa am jiitu ويزنا النوم سوريا ممكن تتعمل بمنا On est dans un monde dangereux. amul xam-xam pare université bi nee na armée bu de science ko waaw Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci tasawadu si xaar ñi ko xam ana murid xam nga ko gazawatu sixaar xam nga ko en tant que murid xamuloo da nga nekk murid moo lay wax viatique pour la jeunesse maanaam yóbbalu ndaw ji la ko tuddee ci ba muy def préambule bi daf ne nañu na ndaw yi wuti xam-xam te ñu tënk si njub première chose mooy xam-xam fi ngeen nekk ngeen xam ne du wut xam-xam moo leen ci foo indiwu leen ci caaxaan indiwu leen ci ngeen wuti xam-xam ànd ak fierté bi mu leen doon wax léegi ngeen fas yéene dellu seen localité ànd ak engagement est-ce que leer na al am sëñ Abdou Aziz al amin da baax da wax loo xam ne fi mu toll nii mooy jàngoro jàngoro te daf ci joxe solution mooy jàngoro ndaw te pratiquement ñun toute la jeunesse nous passons notre temps ak kon ndaw bu waree jiite réew man ma dolli si ne bu waree jiite dëkk lii du doon jiite lii ñett yi ci doon yittee fecc guddi gi nelaw bëccëg bi gis boo xamante ne damay dégg ñu naan ay piscine party ay jeunesse boo xamante ne lan moo xew fan yi ah, ay baiser yi baiser ñu jël suñu àdduna tënk ko ci fo fecc caaxaan utuwuñu xam-xam utuwuñu liggéey ñu bëgg ñun suñu bopp ñun ñu am

même dans cette université si vous êtes venu là pour jouer ce que je disais aux étudiants de partie, le système LMD ne veut pas dire lutte musique danse ce n'est pas la lutte la musique ou la danse nous désormais de responsabilité et de rigueur si nous voulons que les choses marchent. Et chacun de nous se dit que je suis porteur de développement. Et le développement est d'abord personnel avant d'être collectif. Et le développement personnel est soutenu par la responsabilité de savoir kaw-kaw lañu nañ nangu ne ay kaw-kaw lañu ay kaw-kaw yu war a ñëw Dakar réussir Dakar am dellu ji bu ñu am ak néew ñu jébbal ko suñu ay commune ay kaw-kaw yoo xamante ne dañoo judd ci néegi ñax fekk suñu papay sonn ñu war a am mérite génne leen ci néegi ñax defaral leen deng wala tabaxal leen état

et le modèle de réussite incarne. Et chacun doit être son modèle de leadership. Et leadership nag du wane wat moo koy maye c'est un comportement. ba bu ñu fi jógee ñun ñëpp bu ñu delloo suñu localité gannaaw bu ñu suñuy maire joxe suñu subvention ba pare ñun ñu war a am aussi suñu devoir dem xool la fa ñu jàppale ko ci ngir mu yëkkati suñu commune ku fi jëmbatul garab bu demee commune am dëkkam mu jëmbati garab ku dul set setal bu demee sa koñ wala sa kër nga tàmbalee ko fa muy set ku amoon sens de l'irresponsabilité maintenant sa viatique nekk responsabilité ku yaabu soon nga jóg taxaw dem yomb na nag nga toog nag et que tubaab dafay wax ne la valeur n'attend point le nombre d'âge su ma ko loolu la valeur bu nga am valeur xaaru am quarante ans cinquante ans

war a wax bu jeex ñi ma fi ëpp xam-xam ñu fi ñi ma fi gën a taxaw ñu fi ñi ma gën a xam développement ñu fi le modérateur bi ma wooyee wax ma ne ma sur quel axe ma ne ko non du ma axe damay waxtaan parce que damay waxtaan développement. C'est moi le développement. C'est nous le développement. Chacun de nous participe au développement de sa localité. On crée un mouvement d'ensemble et on développe notre département. nous, on développe notre région Fatigue, on développe notre Sénégal. Et ça, il nous faut les responsables. à nelaw ataaya jàng jàng fierté responsabilité engagement maa ngi leen di remercier bu baax wax di suy amee

Venga, me chupa. de trouver mon ami, un frère, Non seulement de partager avec lui le toi, le plaisir c'est immense, incommensurable également. Mais le fait de trouver dans un endroit que tu connais bien qui est l'esprit, trouver, prendre la parole et vivre de connaissances et je suis vraiment stupide de là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un anglais qui te bien. Ou peut-être tout un chacun. Je prends un coup. Laissez-vous de C'est il n'est pas évident. Je dis, euh, quand j'étais ici à base de président Amical, je peinais même à trouver un conférencier parce que un château disait il n'est pas évident d'avoir des étudiants en face de développer des sujets ou félicitations, mais également de façon de fierté de pouvoir animer acquis dans notre mes politique qui a beaucoup fait et qui fait partie également des éducateurs. Je suis avec mon assistante. Et aussi, je suis venu avec Fatou Ben, une et aussi également Patou Kouébi. Maintenant, je, voulais dire combien je trouve comme plaisir de partager C'est un en C'est mieux que nous, nous avons tous, ce n'est pas évident, sans mais ce n'est pas impossible. C'est là où je vais dire, que le courage. Je n'ai pas tout le temps pour me développer dans le sujet. Et le seul mot, le mot de mon discours que je voulais livrer, c'est de vous dire il faut que vous saluer de courage. Il faut que vous saliez de courage. J'ai fait ici au moins six bonnes années. Ça n'a pas été du tout facile. Mais j'avoue que je sais que la seule chose qui peut-être nous a pu faire arriver à ce niveau actuel, c'est parce que nous avions tous eu comme compagnonnage le courage. Parce que j'ai eu l'anecdote un, guide qui était mort chez Daniel. Mais le plaisir de recevoir un autre. Et lui, à son niveau, il n'avait que une seule préoccupation, c'est d'avoir peut-être voir le, et recueillir auprès de lui des prières. Et la fameuse phrase que l'avait brandie de religieuse, c'était de lui dire, je pourrais bien prier pour toi mais il se donnerait une arme fatale Tu pourrais convaincre, qu'il pourrait avoir vous lutter à un certain niveau. Ce serait d'avoir courage. Je le répète parce que je, le, sais pourquoi je dis. Il arrivera un moment, à la période de révision, il arrivera un moment, dans une situation très difficiles, seuls les courageux pourront aboutir à leur fin. Je serai vraiment présent le mot je tiens également à la lecture. Je demande également à tout un chacun de table le courage. C'est uniquement la faute qui peut également vous prévenir à vos femmes. Encore une fois, je vous réitère, j'aurais bien voulu prendre beaucoup de temps ici. Mais ce n'est une patrie. Encore une fois, nous félicitons, nous encourageons et nous disons également, prions le bon Dieu. Merci encore pour la confiance que vous m'avez donnée pour euh, votre service d'aujourd'hui à Merci beaucoup. Merci encore une fois. Donc, la cause pour laquelle je suis un peu en retard. Donc, euh, pour le discours, <laughs> excusez-moi, mais en grosso modo, on va parler de l'entrepreneuriat euh, par rapport à votre, euh, euh, thème d'aujourd'hui. Hein. Donc, ce qu'on peut dire sur l'entrepreneuriat et par rapport aux étudiants, c'est très simple. Le, le conférencier l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est une obligation, on peut dire, d'entreprendre en tant qu'étudiant, il faut déjà amener le Dieu de, travailler. C'est bien d'étudier, mais en même temps, on peut initier à l'entrepreneuriat. C'est pour laquelle on a, on a euh, créé le, réseau des femmes leaders, des de pour, une, pour, comment je peux dire ça, euh, pour imprégner nos femmes leaders, nos femmes des villes de Salon. On est un peu calé dans nos territoires là-bas, on est un peu enclavé. Donc, raison pour laquelle les femmes ne passent pas souvent. Quand on dit les îles du Salon, on sait que c'est l'entrepreneuriat là-bas, parce que nos mamans, on femmes, de travail du beaucoup. Et il y a les étudiants qui sont qui finissent leurs études, qui passent au village, qui n'ont plus rien à faire donc euh, c'est notre combat de les faire d'avoir une continuité par rapport à des activités. Vous voyez Donc par rapport aux activités, parce qu'on a tendance dans nos vies de quitter les écoles et d'aller se marier ou bien d'aller suivre euh, nos moments là-bas. Maintenant, avec le réseau des femmes leaders des Unisalo, on veut essayer de former chaque nos braves soit nos braves ou bien des étudiants comme vous qui veulent poursuivre avec l'entrepreneuriat. il y a des formations, il y aura des formations, euh, on aura des partenariats. Donc il y aura des formations pour euh, nos braves dames. Bon, je ne peux pas dire pour l'instant pour les hommes, parce que le réseau concerne les, <laughs> femmes. Donc, euh, c'est juste pour l'entrepreneuriat, pour la formation et le social. C'est ça le réseau des femmes leaders des du il y, il y aura des, filles qui veulent euh, intégrer le, réseau comme Kumba, elle est, elle dedans déjà. Elle est de John Donc, elle est dedans. C'est ça en grosso modo. Excusez-moi, je n'ai pas, j'ai pas préparé de, discours. vu que je suis un peu en retard, donc je vais vraiment laisser ici. Et pour encore résumer, Mangledi de Yogoba,

bu ñu mënal seen suñu bopp dañ ne autonomisation de la femme jigéen bu nekk fii tey war nga mën a defaral sa bopp defaral sa njaboot jàppale sa borom kër donc te suñu yaay yi ñu ngi ci île di di di di ñefe pour yéen vous voyez ñu ngi ci île yi di ñefe pour yéen donc yoon la ñun aussi ñu bu ñu jàngee ba pare lu ñu mën a def mooy utal suñu bopp pour mën leen dimbale Lankou, si ka ou ay formasyon, si ka ou ay vop, yo akamne, yon peyout, ki la yon patye ene, ligye yon, kou dimbele si yon diyen, yon, an ton peyout yon, ki yon boku, ki rezo yon boku, ade, moun euh, akroche yon, moun deye euh, sa moun ki rezo yon, kwa yon. loolu loolu laa bëggoon wax à part di leen remercier di leen ñaaxaat aussi ngeen jàng bu baax université metti na ñun ñëpp fii lañ jaar xam nañ ko mais taxul ñu bàyyi taxul ñu bàyyi ñun suñu soxla gënoon a métti que par rapport à aujourd'hui liggéey jàng am fulla am fayda vous voyez moom la ñu wax dañu soxla jeunesse bu conscient conscient comme sama leader nu mu koy waxee Thione Niang nekk jeune bu ñu tax a yàqu donc dañu nekk jeune di liggéey essayer d'entreprendre et nekk étudiant aussi warul la tax ñu bañ a ñàkk métier ku nekk ci ñun war naa mën am métier bu mu yor en parallèle ak jàngam parce que yow sa métier boobu ngay entreprendre mën na la Dimbalé, ba nga continuer say études vous voyez donc euh, du loo xam ne war nañ ko mën a caaxaane du question ne dañoo nekk on est étudiant seulement dañu war a tëdd dem école ñëwaat cours yi recherche non parfois dina am ñoo xam ne dañuy bakke dañuy bàyyi seen jàng parce que lan pas de moyens pourtant fii am nañ ay moyens parce que des moyens d'emprunter yoo xam ne mun ngeen ci dimbalee seen bopp sans le l'appui des parents ñun en tant que jeune ñun ñoo war a jàppale parents ñun en tant que jeune étudiant ñun ñoo wara a liggéey di di dimbalee suñu bopp di dimbalee suñu parents vous voyez donc surtout suñu localité yooyu ñu nekkee département de Goundiougne on en a besoin Sonde menye ligye, ya le zopportunite la ba. E sounou komba, menye dek sounou komba la mi. Yon anp sounou dole vopo, yon anp sounou tenu vopo, e utilize sounou dole, utilize sounou tenu. Vanga kane, nik do tout yuge fwene, di nou mouman yon, di nou nangoun yon, di nou mouman.

Fayzam, gougele ta ou gyorwa vi fayzam, men yon ekpok di lakik e kya hi. Moun nenyon antaf e fiyan pou fi, yon gen konferte, di ligye ansam, nan lenyon anade mwesou nyon mamay yo itay. Nyen di nyon di djen lupi, djen dal, djen lupo. Dinakpo, yon wak sin yon mamay, mamay lakik e kya hi yon faynen. Ese nyon moun mwen defare, moun yon...

Mwande bile yon ki da pa avante. Amotou yon kan wou yon kak. Kou amotou. Koutou nek nan tak kou bayon. Koutou nek nan tak kou rom. Jige yon ni, ligen moun adek. Bori nan kou ap, ligen moun nan anjouman. Mwen kou bi yon besek, bi simbolesen kou. Bi simbolesen kou yon, bi yon kou ap. Bori nan. Mwen kou besek, borsou kou kleri. Sen borsou kou yon diyon tay. Mwen gen ki dek nou bori. Mwen gen ki dek nou bori man. Je fisi liste.

de telle sorte que ne lépp lu ñuy def biir Dakar wala lépp lu ñuy def ci région yi ñu boole ci les villes du Saloum ñu boole ci les départements de Foundiougne parce que dañuy dégg événement day am dañuy dégg ñëpp tey mais suñu il yi biñ leen dégg ci dara lan moo waral lu ko waral donc ñun jeunes yi ñun ñoo war a dindi loolu te foofu la ñu toll loolu moom mooy suñu combat en tant qu'étudiant xam vous voyez ñun loolu mooy suñu suñu suñu suñu rôle instant ñu nekk de développer les les développer le département de monsieur le maire malheureusement euh, sama waxtaan bi fekk mais bëggoon naa fekk ko parce que ñoom ñëpp ci lañu ci ci côté on est jeune dañ toll rek war on a plus droit à l'erreur dañu war a liggéey war nañu jàng aussi parce que boo am boo aussi am pour exploiter entrepreneuriat donc entrepreneuriat ça avec et vous aussi un bel métier vous un bel métier politique du métier <laughs> encore une fois Et tu viens ici, mais

de la situation actuelle de l'UdeF. En effet, l'UDEF traversait des, jours sombres durant ces trois dernières années, puisque le nouveau bureau exceptionnel et colonel s'adapte a relevé les défis. Bien évidemment, c'est les membres de l'UdeF et les bonnes volontés. Ainsi, nous avons envisagé sur les domaines pédagogiques par le biais de notre programme. Bien situé dans une grande amélioration par un emplacement d'un comité de suivi. Par cette même effet, nous utilisons de l'excellence pour encourager les étudiants dans ce domaine. Nous êtes sans savoir que la pédagogie est énorme avec les conditions sociales. Nous sommes au courant de vos situations sociales, mais cela reste priorité absolue pour nous, puisque nous tracerons nous travaillerons matin, midi, soir pour trouver des solutions et nous espérons des logements. Sur le domaine socio nous avons envisagé de faire des activités culturelles pour promouvoir la culture de notre département. Nous envisageons aussi d'organiser des activités sanitaires au sein du département et dans cette même occasion, nous avons choisi comme thème l'idée au, au du développement de sa localité. L'IDEF, par ses vocations premières, à suivre les dirigeants du département de Oumou. Dans le seul but, c'est-à-dire cultivons la solidarité, l'unité, l'éthique par, par nos comportements qui nous animent chaque jour. Pour terminer, nous remercions l'appui du président du conseil départemental de Kounioun. Euh, nous remercions aussi l'honorable député Adam Boukoudachor pour son appui financier. Aussi, nous remercions l'ensemble des étudiants et des députés qui ont participé pour la réussite de cette activité. Nous remercions vraiment tous les étudiants kouniois et kounioises. Nous invitons à venir nous joindre pour nos connu une traversée du désert. Donc des moments très difficiles. Mais vous avez pu quand même avec des activités. Alors, donc pour continuer dans la perspective, nous allons plus continuer avec les discours. Donc nous donnerons la parole au représentant de la marraine, de la marraine, voilà, qui est représenté par Gauthier Moussa vous essayé de lancer quelques mots de remerciement. Voilà, donc euh, je peux utiliser notre langue nationale, euh, sauf que ce n'était pas euh, un discours préparé. Voilà. Donc, Mangi Ndiou, petit tout le monde Voilà, suñu discours avec nekk loo préparé.

kon li ma waxoon rek mooy sama waxaat mooy jaruloon ñuy remercier parce que dafa bokk ci merci encore une fois ndax ku nekk ci turam ak ci santam je m'appelle Samba je vis dans la commune de Niassène je suis le coordinateur départemental des jeunes de Tahoe Sénégal au niveau du département de Fouillon. En même temps aussi, je suis le sergent de la commission scientifique au niveau national de Tahoe Sénégal. Et Tahoe Denis Fouillon, sur invitation sur mes frères, sous le vice-président M. Mamadou Lamountchan, nommé le président de l'UDF. mu nekk structure boo xamante ni je pense que lu am solo la ci département de Foundiougne ndax dafay fédérer toutes les dix-sept communes yi nga xamante ni ñoom te loolu moom moo gën a nekk rôle bu quintessence bu IDEF war a liggéey kon ci loolu ñu ngeen ci ñaax ngeen gën ci de gën de firndeel relation a wane seen position euh, c'est vrai que peut-être un moment ñu jaar euh, jiitu na je pourrais pas développer mais rien ne solo rek en est que nous sommes très contents voilà d'assister à cette cérémonie de l'économie xamante ni ci def organisé nous en tant qu'anciens étudiants en tant que ressortissants nous nous devons rek tendre la main pour vous accompagner pour vous orienter pour vous donner aussi grand soutien dans vous avez déjé surtout à Dakar parce que aussi nous on travaille avec le président Khalifa Babacar Sall et qui dit Dakar dit Khalifa Sall et qui dit Khalifa Sall dit Barthélémy Dias et il y a des gens qui nga xamante ni tey ñu ngi koy permettre aux Dakarois donc pourquoi pas nos chers étudiants qui sont de de de Foundiougne donc ci côté boobu daal on est tellement ouvert à beaucoup de profils yoo xamante ni ensemble la ville de Dakar moo koy accompagner que ça soit des bourses d'études que ça soit des bourses de permis de conduite ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni ça vous accompagne sur le volet pédagogique mais aussi sur le volet social. en tout cas ñu ngi nuyuwaat ñëpp di nuyu le président Tiola di nuyu aussi waa plateforme départementale surtout sax minute ñu nuyu comme ils sont là je vous salue. Il est ñaanal jàmm di gis le travail que vous êtes en train au niveau du département en tout cas merci beaucoup président merci beaucoup à l'assemblée di euh, ngi jël rencontre euh, réunir tous les étudiants foundiougniois euh, dans le cadre d'un groupe, aussi dans le dans le cadre d'un débat pour parler toujours de la du département de Foundiougne pour me présenter, je m'appelle Moustapha Diouf. Voilà, j'ai été euh, secrétaire dans l'amicale de Passy, de la CERCOP, avant d'être euh, trésorier général dans la structure IDES qui nous réunit aujourd'hui. Donc c'était euh, à l'année 2015. De 2015 à 2018, j'étais le trésorier général. Donc nous avons euh, posé les premières pierres euh, de la structure, comme vous le voyez bien. Je crois que euh, M. Gagne, c'était sous le magistère, magistère du président Abdoulaye Gagne, Adam Ken de Gilor. Abdoulaye Gagne était le Président. Adam Ken de Gilor était le secrétaire général, moi j'étais le trésorier général après nous, il y avait le président Silla qui était venu, après le président Ndiaye, jusqu'à aujourd'hui. Donc, peut-être je vais vous faire un petit historique pour vous donner le départ de l'IDEF. Avant qu'on en arrive ici, pour que le bureau qui est là puisse en tirer des leçons et puisse savoir que c'est un travail très difficile euh, qui les attend, qu'ils doivent abattre parce que là, euh, on est parti de rien du tout. On était des, étudiants euh, de Fatih, Founioui, On a pensé mettre sur pied une structure euh, qui n'avait aucun soutien financier, qui n'avait pas de local, qui n'avait même pas de légalité. Pour, dire que nous n'avions même pas de récit pour vous dire. Donc, c'est euh, au cours de l'année 2015 que nous avons pris l'initiative de faire tout pour que l'AMICAL soit reconnue juridiquement. Et dans ce cadre, nous avons pu nous déplacer, moi, le président Diagne et Adam Ken qui était nous étions déplacés jusqu'à Foulou pour démarcher euh, démarcher euh, l'existence juridique de l'UDEF que vous voyez aujourd'hui. Après, on a pu avoir le récipité, On a pu régler plusieurs choses avant même euh, que le président euh, Silla ne vienne. Maintenant, le président Silla a tout fait. Il a démarché avec. Ainsi, c'était euh, en ce moment que le conseil départemental aussi a commencé à s'intéresser à l'UDEF, a aussi investi sur l'UDEF. Maintenant, comme le président l'a dit, après, l'amicale a sombré deux ans, trois ans, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, là, je vois euh, une telle détermination, je vois une détermination et je, je crois en ce que je vois. Je vois que euh, ça peut donner un résultat positif. Donc, je vous encourage. Le thème que vous, vous avez choisi aujourd'hui était un thème euh, qui, était, qui était bien important, parce que là, un étudiant qui dit un étudiant dit euh, euh de demain. Ceux qui sont euh, à l'université seront les autorités de demain. ça, on dit qu'on vient même pas. Donc, les étudiants de Fouline seront parmi, comptés parmi les autorités de demain. Ça, on n'y peut rien. Donc, dites-vous que vous êtes sur la voie. Maintenant, ce qu'on attend de vous actuellement, c'est que vous réussissez dans vos études. Ça, c'est le strict minimum qu'on attend de vous. Mais aussi, n'empêche, vous êtes des citoyens, vous êtes des citoyens de Foundiou. Investir donc dans la région de Foundiou, euh, s'investir dans une telle structure comme l'UDEF. c'est toujours travailler pour, le département de Foundiou. Donc si vous œuvrez pour l'UDEF, vous êtes en train d'œuvrer pour le département de Foundiou. Donc, euh, j'adresse encore mes encouragements au président Thiam et à toute l'équipe. Aussi, euh, je lance un appel aux autres structures, euh, les présidents radicaux qui sont là, euh, pour vous dire que l'IDEF a toujours marché ainsi. Ce que je veux dire, c'est que L'IDES ne le pas partir sans les autres structures. Vous les présidents, tout ce que vous pouvez apporter comme soutien à l'IDES, faites-le. Tout ce que vous pouvez apporter à cette personne morale, faites-le, parce que vous le faites dans votre propre intérêt. Il y a pas mal euh, de structures qui ont des, euh, représentants, des, structures, il y a pas mal de, euh, localités qui ont des structures départementales et qui leur sont utiles. Pourquoi pas pour nous il y a des habitants qui ont une envergure, régionale, pourquoi pas Donc, euh, pensez-y, continuez sur cette voie, et je pense qu'un jour, on euh, parlera de, de NUDEF euh, qui a bien réussi, d'un NUDEF qui continuera à prospérer, et sur ce, franchement, là, je suis très ému de ce que je vois aujourd'hui. Je vous remercie encore, euh, Monsieur le Président. après sama kàddu yoon dinañ ko jox Lamine moom dina ma wal ci kàddu ñu ma wax dëgg yàlla moom dañ ko mënu maanaam daf ñoo fekk rek mënuñu ñàkk ñëw moo tax ñu ñu ngi jégalu ci tardement bi te moom it dëgg yàlla mu ñu la bu amoon sañ-sañ moom moom moo fiy teew dafa am dugg bu ñuy organiser conduite fas yi bu la tax mënul ñëw léegi xam naa kàddu ñëpp daal mën na ko jox président la bi tam am ñu yëgee ko mbooloo mi dañuy jégalu nag malheureusement non nag am na xewen maam teew ak yéene maam teew bëggoon naa teew aussi sama kàddu mu bëggoon wax kàddu gërmande yi bëgg naa nga jàllale ma ko loolu nag parce que voilà mënuloo nekk daan ba pare wala mënuloo xew la koy def nekkaat lu mënul ne bon mais nag parfois tamit on est obligé parce que kenn mënul jox la mais en tout cas je vous assure que le président Moustapha Mbaye vraiment bu ñu jàppale façon côté bu ne bu ñu jàppale parce que tey def avant ñu accès pouvoir ci def amaana amuloon dara te tey président ci jàppul d'ailleurs même bu ñu la semaine passée rencontré ñu joxoon une enveloppe boo xamante ni mu tey moo tax bés bu taaroo mu àndoon ak honorable député la marraine donc kon kooku noonu donc te su ma waxee ne ma waxal sama kàddu dina ma diis nag vraiment waaw mais nag j'ai pas le choix moo tax tey nag man leen président Moustapha Mbaye mi gërëm étudiants yi te rassuré na ma ne lépp loo xam ne étudiants yi ñu ngi ci vraiment il mooy kàddu yi aussi ñu ngi euh, Omar waxal na ko étudiants yi ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay la ñaanal yàlla dëgg taxawaay bi aussi di la wax ne lépp loo parce que tey xam nañ ni étudiants yi bu ñu sañoon chaque étudiant bu nekk département de nekk dans des très bonnes waaye nag les moyens ne sont pas am yaakaar ne bu ci jàppee amaat lépp loo xam ne ñu ngi koy yóotu donc dinañ ci jot.

Euh, le président de l'amicale de, de, Alors, euh, euh, euh vrai que tout le monde ne pourra pas prendre la parole, mais nous allons essayer effectivement de donner la parole à M. Kotissen. Donc, vous allez faire essayer de résumer pour qu'on puisse quand même, comme on dit en Wolof, en Kandango et donc on doit tout faire pour que tous les présidents puissent donner justement le mot de bienvenue. Alors, les, les étudiants et étudiantes, voilà fi ñuy ñëwee rek tuuti mooy ci euh, thème bi ñu foofu la wax tuuti rek comme temps bi mayuñu ko parce tey bu ñu nee l'étudiant wax localité man je me euh, étudiant en tant que jeune bu ñuy wax développement localité rek yow yaa tax ñuy wax parce que mënuñu wax développement. te waxuñ jeunesse te buñ nee jeunesse comme conférencier bi ni ñu ko waxee jeune bi nga xamante ne tey moom lañ soxla mooy jeune bi nga xam dafa engagé wu engagement boobu noonu fan lañ ko soxlaa jeunesse bi jeune bi balaa muy engagé dafa war a xam ci lañ lay engagé wu kon donc ce qui est plus important mooy étant jeune da nga war a fexe ba am xam-xam d'abord xam-xam boobu soo ko amee. moom moo lay permettre nga mun a engagé xam ne man si lii lay engagé wu à part man dama ne souvent da ngay benn jeune lu muy wax bon état defal kuñ dara xaar loolu buñ xaar loolu ñun nañ def le tout ba xamante dañuy wax ne ñun ñoo def lii donc pour loolu am il faut ñu gëm suñu bopp xam ne bii nekkul ne da ngay xaar nga am ay millions wala nga am ay milliards door a mun a def dara nañ commencé avec ex-nihilo buñ xaar ba am am-am boobu noonu tey da ngay nekk damay xaar ba am lii doog a def dara mais tam moo la wax ne loolu noonu da nga ko am li nga war a def nekk si kon jeunesse yi man dama leen di ñaax ñun ñëpp ñu takkuwaat te xam ne réew mi suñu réew la bu développement di am ñun ñoo koy développé. buñ taxawee di buñ jógee di xaar ba pare di espérer développement nañ xam ne du mos a développé te tey fii li may wax mooy amul benn président de la république buy taxaw di wax ci développement te nekkul li moom dafa compte ci ndaw ñi parce que ñun ndaw ñi ñun ñoo mën a permettre euh, suñu suñu pays mu développé ñun ñoo mën a développé aussi suñu localité parce que li li ko tax mooy tey président bu créé tey benn entreprise ñan ñoo fay dem di liggéey les jeunes yan jeunes jeunes yi nga xam am nañ xam-xam engagé wu am nañ courage jeunes yooyu ñoom ñoo fay dem di fa liggéey mais pas jeunesse bi nga xamante ne nii tey amul xam-xam pour croiser les bras. le thème est très très très intéressant. Donc, je le propos de Cheikh Serigne Cheikh am na lu ko digle chaque génération a sa responsabilité soit elle l'assume soit elle la fuit comme l'histoire nous dira merci Thank you. je dis félicitations au président de qui a eu à organiser depuis deux ans nous nous euh, derrière la situation. Et j'invite tout le monde pour venir nous soutenir pour qu'on puisse obtenir notre situation. Parce que les Américains ne peut pas marcher sans la situation. C'est l'Amérique qui est le premier ressource financière qui peut aider les Américains de ce fait, unissons-nous pour que ce combat euh, aille de mieux. c'est vraiment euh, l'idée, vraiment depuis, depuis 2000 je suis ici. Et c'est la première fois que je viens partager une de vous pour l'aider. Donc félicitations à Président Charles. Vraiment aujourd'hui, je suis très très content. Merci beaucoup. connaître. c'est une initiative que nous saluons, pour continuer dans cette dynamique, dans cette lancée, en sachant que cette structure est l'amicale, mais de toutes les amicales de la département de Ville, il faut initier à intégrer toutes les amicales et y participer pour et le développement de notre département, de notre Sénégal et de l'université également. Voilà je veux juste réitérer ce qu'on appelle euh, les propos de mes chers euh, collègues présidents. Euh, je pense que c'est un combat à porter. Donc avant tout, c'est-à-dire avant d'interpeller les autorités, on doit finir nous, étudiants d'abord. à nous soutenir. donc de lance qu'on appelle en tant que secrétaire général de l'IDEF, donc euh, de venir auprès de Mamadou Lamitiam, de le soutenir et de développer le département de gouvernance. Sur lequel il place, c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, à savoir l'étudiant au sein, l'étudiant au cœur du développement local. Je rappelle je vous remercie pour le mandat président. Et donc, euh, voilà, je tenais qu'à remercier euh, le départemental de Kourou cet d'abord, et aussi, et se surtout pour les thèmes. Parce qu'il a parlé des étudiants au cours du développement de la localité. je ne vais pas parler seulement des étudiants, mais je vais parler de la jeunesse. Voilà, c'est la jeunesse en réalité. Je pense que le but de toute jeunesse, c'est de développer sa localité. Et ça, ça commence ici, au sein de nos campus sociaux. Au sein de nos campus sociaux. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous ne devons plus accepter d'être des pauvres t mais mais des pauvres pancartes des politiciens. Mais nous devons prendre nos destins en main. Parce qu'il n'y a aucun pays qui se développe sans changer ça c'est sûr. Et pour de ça également, voilà, je voulais dire à tous les, je pense que c'est le président du conseil départemental, au maire également, en tout cas à toutes les autorités de Kounou, de continuer à soutenir les étudiants. Parce que, comme c'est hein, la vie d'organiser euh, cette euh, mon l'État, euh, je lance un appel à tous les autorités euh, de Foundou, euh, au président euh, euh, de venir en aide à nos frères de, la, commune de. beaucoup. Donc nous devons tenir compte pour mettre comment dire le ah Merci beaucoup, monsieur le secrétaire, comme vous l'avez si bien dit. di remercier tout le monde parce que di woote yomb na mais woo nañu si la boo jafe ci wax yomb na mais wax ñu si tey waxee lépp uñu la te ñu ngi dans loolu ñu représenté notre département en tout cas pour mu nekk le meilleur département donc moo tax dañuy gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment kontaan ñu ngi gërëm nag parce que comme ko ma ñu baax daan waxee ma Cheikh Ibrahima Niass Baye mais nit ku defee lu baax dañ koy wax day tax ku baax ñu def lu baax ñu def lu baax ku kuraan def ko ne di ko moo tax ñu leen di gërëm lu baax di leen sant vraiment kontaan nañ trop ci yéen leen ñu wax ne en tout cas des na yeneen choses yoo xam ne war nañ ko def pour ci def képp ku xamante ni donc toujours nga bokk ñu war nga intégré pour ñu ñëw suñu département bi parce que ci dem dafa dépassé université dafa dafa toujours loolu pour mu am il faut que doomu ko ñun ñëpp ñëw loolu mën a am. voilà kon nag ñun ñoo àndal ci waa Sadio en tout cas di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax naan di ko wax bon